amis et internautes bonjour ravi de vous retrouver dans votre émission sur sunu environnement di profité ci occasion bi di leen baalu àq te di leen baal àq tey nag sunu environnement nara waxtaanee lii di actualité di Covid 19 ban rapport la am ak sunu environnement comme ni ñu koy defee saa su ne dañ ciy ànd ak monsieur Matar Diaw di environnementaliste te xam-xam màcc jëm ci wàll woowu balaa ñuy ko ci waxtaan bi ñu bàyyi la nga ndoog mbokk internet yi ñuy seetaan monsieur Matar. salaamaaleykum mbokku internet yu Hann TV ngi leen di nuyu. comme ni ko Aminata waxe di len balu ak ci koor gi di len wax ramadan mubarak ma ngi nuyu ñepp di leen ziar di fasiyene waxtaan ak yeen par rapport à la sujet bi nga xamni ci si sujet actualité mi koy wax pandémie coronavirus. comme ni nga waxe monsieur Matar Diaw environnement nek lu am solo ci dundinu ci dundinu doomu adama ñu bëggoon a xam ak contexte coronavirus bi ban rapport la mëna am ñom ñaar. waaw environnement bi ak euh, coronavirus. seen rapport ci ñaari côté yëpp dafa am solo parce que buñ né coronavirus da fay nek fièvre fièvre bi nga xamni ci da fay lëmbee aduna bi jusqu'à présent may ñi nga xamni ci si jot nañu am fièvre bi ci Sénégal ak aduna bi yëpp ma leen di souhaiter prompte guérison mais ñeneen ñi nga xamni ci si yalla mom na mom na leen ci yalla na leen yalla xare aljana mais li ci ëpp solo ñu mën ko wax moy ci ñaari fànn yëpp en environnement ben pàcc le lu développement durable développement durable avec ses quatre piliers lu ñuy wax culture culture la social de économie wàllu environnement li nga xam ne véritablement à ah, lu ay di coronavirus nous koy wax mbas si impacter négativement sur la santé des populations et kuni santé des populations parce que nous avons bu février du mën gis pratiquement toutes les industries sont à l'arrêt par exemple acteurs culturels les artistes presque ils ont mis en chômage technique la plupart des entreprises futiles, il celles de l'État et d'autres mieux pratiquement sont à l'arrêt donc aujourd'hui le coronavirus a un impact négatif dans le domaine de l'économie dans le domaine social dans le domaine euh, économique mais aussi le coronavirus dans le domaine environnemental en tant qu'écologiste en tant qu'environnementaliste en tant que défenseur de l'environnement ah, honnêtement, pour dire vrai, la femme impact positif dans le domaine de l'environnement. Parce que pratiquement, les gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre, c'est pratiquement la couche d'ozone. L'atmosphère a été complètement envahie par euh, la pollution atmosphérique avec euh, les avions, les vols d'avions, avec euh, les bateaux, avec le transport. Mhm. Pratiquement avec tous les déplacements ont été réduits donc vraiment l'effet de serre bi nga xam dañ ko impact positif dans le domaine de l'environnement parce que si xoolee jaww dafa les villes les plus importantes dans le monde le 22 le 22 avril du passé journée mondiale de la terre mais pratiquement borom xam-xam yëpp dañu l'impact du coronavirus pour dire que vraiment dans le domaine de l'environnement ça a été vraiment un test réussi et de grande nature qui a permis vraiment aux écologistes encore une fois et aux défenseurs de la nature de dire que c'est encore possible de sauver notre planète. Mhm. Donc après le coronavirus euh, mhm. est-ce que amuñ ay précautions ñu a jël li nga xamante comme ni impact positif ni affaire bi continuer. L'impact impact positif je pense bien que nous daf ñu àtte ak euh, les présidents les plus puissants du monde. Nous président de Chine muy président aux États-Unis muy Bolsonaro au Brésil ce sont ces trois présidents-là qui ont d'accord accord de Paris signé en 2015 alors accord de Paris accord sur le climat nous permettre vraiment de sauvegarder respecter la nature mhm. et je pense bien que c'est le moment de dire que l'organisation mondiale pour les Nations Unies branchement branche bi environnement vraiment nous gën ah, jusqu'à présent chinois et américains ñu koy mhm. c'est une invention humaine alors que moi je trouve que c'est un virus tout à fait naturel il faut nous xoolaat mhm. parce que la production industrielle tout azimut humide. il faudrait que gars yi contrôlent nos modes de production et nos modes de consommation mhm. donc c'est un avertissement sérieux si les gens vraiment se rendent conscients et prennent au sérieux vraiment le phénomène, je pense bien qu'on peut encore sauver notre planète, on peut protéger notre environnement en n'utilisant que les choses dont on a besoin. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin. L'industrie nucléaire, l'industrie de l'armement et d'autres industries qui sont susceptibles de détruire le monde, moi je pense bien qu'il vaut mieux que les gens s'asseyent autour de la table, essayer d'aider les pauvres, les uns et les autres, combattre les différentes maladies que nous avons pour pouvoir vraiment s'en sortir. Quoi am na solo bu baax monsieur Matar Diaw ndax euh, li di environnement lu am solo la ci doomu adama donc fuñ ñu dañ ko war di protéger ngir ñu gëna muccu parce que bu muccé rek ñun ñu muccu légui ñu bëgg xam après coronavirus bi hmm. ban lan la mëna a indil environnement wala ci yenn ci secteur environnement yi waaw coronavirus bi dafa joxe avertissement sérieux comme ni ma ko waxoon légui rek hmm. pratiquement bo xolé dans le monde utilisation abusive hmm. du kérosène utilisation abusive du fil utilisation abusive des hydrocarbures qui est en train d'impacter négativement l'environnement, la, couche de zone Parce que il y a des familles qui aujourd'hui, Ce qui veut dire que le coronavirus, il faut qu'on aille vers les, énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, le mel ndox, le mel ngelaw, le mel ah, yenen yu nga xamni solaire bi daf ñuy permettre ñu mëna utiliser té dañu mëna sauvegarder suñu environnement. Def lu ñuy wax phénomène du covoiturage c'est-à-dire ñun ñent ñëpp ku nekk am sa auto ñu gaaree ko jël auto ami ci sa tay ñun ñëpp ñu xey ci bu subaa ñu def les pistes cyclables di dox def promenade mais tout ça aussi ça dépend de la configuration lu ñuy wax ci planification urbaine parce que dans la planification urbaine quand on a pratiquement un une ville compacte une ville compacte c'est une ville où on a construit en hauteur ce qui permet vraiment d'avoir la mixité fonctionnelle nit ñi duñu déplacer nit ñi dañu am yépp mais aussi éviter l'étalement urbain étalement urbain toutes les superficies malheureusement on ne tient pas compte de la biodiversité alors que tant qu'il n'y a pas de biodiversité comme le parc de euh, comme, comme, la forêt de Mbao, je pense que nous avons des problèmes écologiques. L'empreinte écologique devient de plus en plus série, devient de plus en plus sérieuse. Donc, pour revenir à ta question véritablement, moi je pense bien que ça c'est un sérieux avertissement. C'est un échec certes de la science, mais parce que la science ne parvient pas encore à résoudre tous les, tous problèmes. Donc aujourd'hui, quelle que soit l'expertise et le degré, de, d'ingéniosité de, l'homme, il ne parvient pas encore à égaler Dieu sur terre. Donc les phénomènes naturels sont là, les catastrophes sont là. Vous voyez Sandy, vous voyez Katrina, vous voyez d'autres tornades qui ont secoué et mis à genoux les puissances les plus importantes dans le monde. Alors que nous autres Africains, je pense bien que nous sommes parce que yàlla moo ñu protéger ba mais loolu nag aussi li may terminer ci côté boobu mooy fexe ba ñun aussi nous, permettre ñun ñu gën a set parce que set dafa bokk beaucoup lu nous. Nous ñu devons respecter les gestes barrières respecter lépp li nga xam si dafa jëm ci wàllu environnement daf ñuy permettre d'avancer. avancer donc je pense que par rapport à tout cela vraiment environnement aujourd'hui c'est le moment c'est le moment de sauver la planète en faisant quoi en respectant nos comportements. Mhm. Parce que les comportements éco-citoyens, les éco-gestes, c'est de petites choses, mais ça nous permet de revenir sur autre chose. Mhm. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays ou bien dans un monde où pratiquement même la gestion des déchets nous pose problème chez nous. Donc tous ces, toutes ces problématiques-là mhm. sont des défis, des défis et des enjeux qui interpellent les uns et les autres. Alors qu'ensemble, je pense que si on ne le fait pas de manière individuelle, que les puissances, les grandes puissances aident les pays sous-développés, que les pays sous-développés aient un comportement acceptable vis-à-vis de l'environnement, je pense que nous pourrons aller très loin. Mhm. comme nous l'avons dit, nous avons na solo lool ñu fait, koy jaajëfal bu baax nous avons fait, àndaloon ci suñu émission Nous avons fait leen tam mbokku internet nous di leen jox dig daje très prochainement pour seen beneen numéro te di leen fàttali bu baax ngeen euh, top bu baax mesure de leen ak ngir a ci coronavirus